سنجوي ها مقال انت غاسا تاري تاتولغا لانه كود يتدون دشي هروادا لانه كود يتورنا دیتا تاوي دش التيموس انتين دين دش عرتو دانا تستا دا دکتر سابو زينبو ادما ميغا تموس تما حس دابتو انتورنا نارا تندايا مي سسمات يمك وسيهور ريتو ستغمل سنجوين اتاك تاتنغا هوا عثمان Pourquoi on dit moustiquaire imprégné Imprégné parce que Ma ta wannu sangewa ita magal iti di fala sange i magalawa sange wi ihantu hantu poison gu tan sangewa daman poison poison wan amagaladilabasani gui salanes amagala di labasani i inaku tadast Adida da di tagin ras wuri mosara ta yanda sange sange wan salanes da i magal wai tadast tadast kul wai da san sangewa ademut. comment se fait l'utilisation de cette moustiquaire imprégnée. من يوسيتا وسطا مال سنجي ويها مقال الشغل لسنجي وانا مقال إرخيصا إهورا صدق زيدك داي قارادو سنجاتن da kaushu a dagmadan fila dagmada don kaushu a get sange da ya dag da ya dag da igaradu amara a sigai had adi wasa tagmal sange adi giz a wayadim dagas wakhlas on peut savoir à quel moment doit-on être sous sa moustiquaire imprégnée ammadii hor adituu gisangay igizinsange ihorasadegu da da agadalintufuk falas aluqina zagarantadasadi une fois utilisé comment se fait la conservation de la moustiquaire imprégnée asita wasataqmal man yemma kwazitu waqlis da wannan masnan sange tanwi iddobata wedim atan shurid har sanata tumurwan nishurid amma galnes wurzeglude shuridwa iddobata degu karadelan ishkhal sange tanwi ihantan imagalan siksuden labasnen itadast arat Ce sont des moustiquaires euh, vraiment imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est très capital.